Issoufou Ado, tout le monde connaît à Maradi ce tombe de petite taille qui transporte à longueur de journée un petit sac noir contenant un serpent ou un scorpion. Issoufou Ado est le digne fils de son père, Ado Maïmatchiji, célèbre charmeur de serpents. Celui-ci était souvent invité à la télévision nationale pour parler de l'art de charmer ses reptiles dans des émissions culturelles. Son fils a repris le flambeau. Il explique comment il fait. Ça, c'est un pouvoir que j'ai parce que dès qu'on parle d'un serpent, il n'a pas de secret pour moi, qu'il s'agisse d'un vrai serpent ou d'un génie prenant l'apparence d'un serpent. Pour les charmer, je mets d'abord sur des braises des produits pour provoquer de la fumée. Avec cette fumée, je saurai si c'est un serpent ou un génie. S'il s'avère que ce n'est pas un serpent ordinaire, on verra que son corps se contracte et tremble de tout son être. Issoufou ne se contente pas seulement de charmer les serpents dans la brousse où parfois il est appelé à s'aventurer peut aussi attraper des gros animaux accros. Tout d'abord, j'ai l'habitude de capturer un crocodile. Même s'il est rare dans la brousse, le porc épic est dans ma liste. Ensuite, le renard et bien d'autres animaux. Présentement, à l'heure où je vous parle, j'ai plus de 330 serpents chez moi à la maison. N'étant pas instruit, Issoufou Adou a fait de cette activité son principal gagne-pain s'y ajoute la vente de produits contre les morsures des serpents. Tout cela lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Nous, dès qu'on sort, des gens, selon leurs moyens, nous donnent de l'argent. Par exemple, on peut me donner 1000 francs CFA, une autre personne peut me donner 3000 francs CFA, ainsi de suite. il y a même celui qui peut me donner jusqu'à 10 000 francs CFA pour lui remettre des produits de protection. En réalité, je n'ai pas besoin de faire la vente à la criée, car dès qu'on cite mon nom et celui de mon père, c'est fini. Ce qu'il a reçu de son père, Ado Issoufou entend bien le transmettre à ses enfants et à ceux de son entourage. Il n'est pas rare de le voir enseigner dans la rue cette technique bien particulière aux enfants qu'il rencontre. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.